chers auditeurs et auditrices du studio Kalango, bonjour à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur cette émission Le Niger sur Kalango. Au micro, c'est Samira Rafi et à mes côtés, Rukayetu Abdurrahman. La technique d'aujourd'hui est assurée par Issa Lawali et à l'édition, nous avons Fontacham Soumegari. Alors, Rukaya, comment tu vas ce matin Ça va très bien, Samira, et j'espère que c'est pareil de ton côté. Oui, ça va. Alors super, euh, qu'avons-nous au menu ce matin Eh bien Rokaya, ce matin, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information avec Rafika Attaher. Une bonne dose de musique à 100% nigérienne assurera survie à nos auditeurs qui sont à l'écoute. Dans la rubrique Écho des régions, nous restons à Niamey pour parler du citoyen modèle. Il y aura également la page sport avec notre chroniqueur sportif. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous recevons comme invité Yahya Muhammad à l'état civil, plus connu sous le nom de l'imam Waka Dallafia, artiste chanteur nigéro, nigérien, résident ici à Niamey, mais qui fait la navette entre le Niger et le Nigeria pour la réalisation de ses clips vidéo. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette édition. Il nous est présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira. Bonjour Rafika. Bonjour Rocky, comment ça ah, va Alors, quelles sont les nouvelles ce matin alors pour ce matin, le bulletin du Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, publié la semaine dernière, fait ressortir une baisse du nombre des victimes civiles des actes des groupes armés au Niger en 2022 et 2023 par rapport à 2021. Selon l'analyse faite par le CNAP, les données des premiers semestres 2021, 2022 et 2023, il ressort que les populations civiles sont de plus en plus par les exécutions de masse commises en 2021 par les groupes affiliés à l'État islamique au Grand Sahara ou aux groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Cette situation pourrait s'expliquer selon le CNAP par l'effet cumulé de la présence permanente des forces de défense et de sécurité dans les zones affectées et de la maintenue du gouvernement, maintenue plutôt du gouvernement pour une paix durable au Niger. Selon toujours le CNAP, l'insécurité a tendance à changer de forme dans toutes les régions affectées. Elle semble passer d'une forme basée sur les exactions et la terreur à une forme de banditisme armé, se traduisant par des vols, des enlèvements, des braquages, du trafic de tout genre et des assassinats ciblés. Ensuite, les résultats de la troisième phase de l'enquête de suivi des indicateurs de la planification familiale qui ont été au centre d'un atelier de dissémination tenu à Niamey. Elle a été réalisée par l'Institut national de la statistique et le ministère de la Santé publique. L'objectif principal visé est de recueillir des données en temps réel auprès des ménages sur la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation de la contraception par les femmes âgées de 15 à 49 ans et la disponibilité des méthodes dans les sites de prestations de santé, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural sur l'ensemble du territoire les résultats de cette enquête transversale de la phase 3 de PMA ont, ont conforté l'INS dans son option de recourir davantage à l'utilisation des technologies de communication, en particulier le téléphone portable comme support de collecte de données et l'Internet comme moyen de transmission de ces données sur le terrain. Et enfin, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou a présidé samedi 15 juillet la clôture d'un séminaire gouvernemental sur la commande publique. Au cours de ce séminaire, le rapport de la Cour des comptes a été présenté et expliqué aux membres du gouvernement. En clôturant ses travaux, le Premier ministre a indiqué que la commande publique et la gestion des comptes sont extrêmement importantes pour la gouvernance économique du pays. C'est pour ça qu'il est important que les ministres soient au point par rapport à toutes les questions relatives à la commande publique et à la gestion de manière générale. L'objectif est de permettre aux ministres de prendre les dispositions nécessaires au niveau de leurs structures centrales et déconcentrées, ainsi qu'au niveau des structures décentralisées, afin que les recommandations issues du rapport de la Cour des comptes puissent être prises en compte et que dans le rapport de l'année 2023, ils arrivent à un taux satisfaisant de la mise en œuvre de différentes recommandations, a poursuivi le, le Premier ministre. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous recevons comme invité Yahya Mohamed à l'état civil, plus connu sous le nom de l'imam Mouak Danlafia, artiste chanteur nigéro-nigérien et actuellement il est très sollicité lors des événements de par son style musical et les types de chansons qu'il fait exclusivement en Hausa. Mais avant de donner la parole à notre invité Samira, écoutons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. ta fito ne kwanakin nan sunan waka munafikin ka na tare da kai. Limamin waka ne. Munafikin ka na tare da kai. Munafiki tare da kai. idon ka na tare da kai. Da kai abin ka sa zauna sai ta gulma. Mu kyale yan hakan da addu'ar iyaye. Muna ta yi suna kallo ba suraye. Ƙarshen munafiki da uwa uba sun kace Allah kiyaye da bazar mu mi rawa ku kuna hawaye da bazar mu mi rawa su ku suna hawaye mu ce ma yan sa ido ku kara zaro ido haka za mu yi kuna kallo makiyan mu ko kun mutu da addu'ar iyaye muka fi ku yan kwarmato a ku yan sa ido ku gani mana yin ado mu ba mu hasanar kuwa munafikin kana tare da kai da sa idon kana tare da kai da kai abin ka sa zauna sai ta gulma mu yan hakan da addu'ar iyaye muna ta yi suna kallo ga suraye karshen munafiki jin kunya tun da uwa uba sun kace allah kiyaye da bazar mu mai rawa ku kuna ya maɗan sa'ido ya bar zaman sa'ido da sa'idan ka ba ka hana komai ita kwarmatan ka ba ya mana komai a kudu sayin mana mun haye gaba ba za ku gan abu ku yi shiru ko bar shi ba yan bakin ciki su ne yan zaman sa'ido Kuna gani muna yi, muna salo da yayi. bari ku canza ku kuna ta yin bulaye tunda ilahu ya aranda maza mu dama munafiki ake ce madan kunama da kazan munafiki sai ka yau na dama domin kowa yana gudun ka kowa yana gudun ka kuma ka gaba mu ba kai wallahi ba mu ba kai tunda iyayen mu sun ce mu je ma ga alƙa bagauta to duk mai tarko kwace kanku ka faɗa kare ne imani kan lafiya munafikin kana tare da kai munafiki tare da kai idan kana tare da kai da kai abin ka sa zauna sai ta gulma mu kyale yan hakan da addu'ar iyaye muna ta yi suna kallo ka suraye ƙarshen munafiki <laughs> C'était le titre Menafikin Kanatara de Kai de l'artiste Dallafia. J'espère que vous avez aimé ce titre, chers auditeurs. Alors dites-nous qui est Yahya Mohamed. ma'ana abin da abu ke aikitawa take nafi muna son mu san wane ne limamin waka wato yahaya muhammad kenan daga ina ya hutu saboda wata rana kana waka kamar yanzu wannan waka da muka saurara ana aza ko um, kamar eh, nazir ne ake saurari ba san da kuma dan nijar ne ba to to yahaya muhammad dai ruwa biyu ne dan mhm. nijar ne kuma dan najeriya ne so that babana dan najeriya ne mamata kuma 'yar ƙwanna Ni kuma a Najeriya aka haife ni, a can na yi karatu, a can dai na yi wayo da komai. To ka san kananan nan dole za a ce ka dawo nan ka ga 'yan uwanka waɗanda ba ka saba da su ba. Don sai aka ce in dawo nan gida saboda akwai waɗanda da yawa waɗanda ban sani ba a cikin 'yan uwan mamana. To ta haka ne na fara zama a kwanni har na kawo kaina dai Yamai. <laughs> To mohamed yaushe ne ka fara waka eto eh lokacin da na fara waka lokaci ne mai tsayi so that tun ina primary school kamar yama ake ce mai abin primary school dai tun yawa tun ina primary school in aka tura na makaranta haka zan ɗauki takarda malami na ba mu karatu mu kuma mana ni kuma ina so ka waka <laughs> ta haka ne dai abin nan lokaci ne mai tsayi gaskiya haka ne to madalla mun san cewa kana da studion waka a nan amma sanda kuke so ku aza huska bisa kan abin ga waka ma'ana ana son a yi bidiyo sai mu ga kun ta yi da yawanci nigeria don ku aza video ko muna yi sanin me yasa kuke yin waka. eh to duk mutumin da kika ga ya ɗauki wakarsa ya je da ita najeriya wajen yi a kwanakin baya ko in ce a shekarun baya ba ma da ingantattun kayan aiki kuma duk inda kake so ka yi aiki mai kyau babu ingantaccen kaya kaga ba za ka zuba kuɗin ka ba ka yi asara to da ka yi asara shi yasa zaki ga mafi yawancin mutanenmu ki ga an ɗauki audios in waka an je da ita najeriya saboda mai saboda ka samu aiki mai kyau nan in kai in bidiyo din ma za ka ga bidiyo din a zahiri an ɗauke shi da kyau amma sai an zo wajen editing din wajen ai mai color grading ɗin sai a bata shi amma su kuma kin ga aikin su ne kuma za su yi ma yanda kake so tunda kuɗi ka biya su kamar contract ne ka biya su za su yi ma aikin ka yanda kake so sai sun nuna ma in kana so su tallata ma shi in kuma baka so su baka abinka nan kuma da an yi kawai sai dai a tura ma shi a wayarka kai kaɗai ne zaka tallata kayanka. Moi j'aimerais bien savoir pourquoi il a pris le style de Nazir. To abinda take nufi tana son ta san ko dan me ake jin ka kamar style in Nazir ne ko tana iya sanin me yasa koko abin ya zo dai ne a hakan eh to gaskiya kin san shi ubangiji bayan da baya yin abinsa kin ga nazir ba mu taba zama da shi ba bai ma san na ba ban san shi ba illa yana ganin waƙoƙi na nima ina ganin nashi kawai ubangiji ne in ya tashi ma abu bayan da ba zai iya ma ba yanzu kamar ke ce za a iya samun mai muryarki in gani yanda in kika yi magana haka ita ma za ta yi magana taktaka ya zo iri ɗaya shi kaɗai ne wato na gane to bancin wannan wakar da muka riga muka saurara ta munafikin kana tare da kai yanzu a halin yanzu kuna saman wani aiki ne eh to a halin yanzu akwai ayyukoki zan ce mhm. akwai ayyukoki da nake son zan yi a kwanakin nan kuma akwai wata waka dai da zan saki a bakwai ga wannan watar insha Allah to madalla shin zamu iya samun dan tsokaci cikin wannan wakar don jin daɗin masu sauraron mu da wanda ke kallon mu eh to wakar ai ta mata ce ba ta munafukai ba <laughs> to ayi <laughs> muna <laughs> muna son mu ji wannan sabuwar waka kafin kowa mata ku shigo mata ku shigo kuna rawa liman ne ya zo jujjuya abin kitin da allah ne dai ya baki ba wani mai kara baki tsoro to Ki daidai rawar ki ba wani mai firgita mu taro. Mhm. Da Allah muka dogaro, da Allah muka dogaro ya samu naɗa zanzaro, mata na garinmu ba su neman kayan aro. Liman ne dai ya zo, mata sai a fito. Wasa muka zo na tambara kowa ya ado. To ku shigo ina kiɗa, mata ku shigo ina kiɗa. to madalla a ah, na mutsu wannan wakar ta fito don su raga saboda gaskiya ta mata ce gaske En tout cas, bien avant de continuer, faisons donc une petite pause musicale avec le titre manda de l'artiste Yoni Mahmoud. Enyame, sini gonga tangari gano bo hamni gizai, ala sire gitari mo duke zgadu, lisani ko stela kal, hangan kom tela kal, zamche dangu sini mchigondi se, haika fogo te kula fogo beaga.

ninna hawi sammugate bongum ninna burcin taray tolme ninna miman sammugate goy Sega mi manda hawega Sarchim mi manda manda hawega Sarchim mi manda manda hawega Sarchim mi manda manda bisega Et quand je tiens le mic en live en direct sur la scène, mes gosses seront en geste. Je contrôle la musique comme un chef d'orchestre, toi-même tu sais, je m'en fous. Je m'en fous de torpilleur, je m'en fous de mabouilleur je m'en fous de saboteur, je m'en fous d'hypocrite. Yoni Mamoudou est un chanteur nigérien. Son style musical est le reggae, mais il évolue aussi en dancehall et en negro spiritual. Il sort les deux albums Toguraga en 2007 et Paix en 2013. C'était le morceau Mimanda de l'artiste Yoni Mamoudou. Fidèles auditeurs, c'est le moment pour nous de retrouver notre invité du jour. Oui, euh, exactement. Euh, l'imam waka za mu dawo a euh, tagareka. <clears throat> To muna de mu sani wani irin sako ne kake son mikawa cikin waƙoƙinka da kake yi da yawanci. Eto, eh duk waƙar da kika ga mutum ya tsaya har ya nazari a kanta sako ce dole zai bada sako a kai sakon da nake isarwa a cikin waƙoƙina mafi akasarin mutane za ga eh, na kusa da kai wanda baka taɓa tunani ba shine za ga yana soka ma abubuwa waanda suke ɗaure ma kai most especially kamar irin eh, munafukai kamar yanzu munafikinka na tare da kai kamar yadda na faɗi kinga ai mutum ne na tare da kai na jikinka wanda kai ke masa komai kuna komai tare amma me zai ja gefe ya je ya tsokaci a kanka kin ga wannan ma in kika tsaya kika yi lissafi kamar ai sako ce sako ne aka tura ta hanyar eh, lissafi tunda babu wanda baya da irin wa'annan abu haka ne kamar da yanzu wadda duniya take nan tana tahiya kullum na kusa da kai ne ake ganin shi ke maka cuta tunda da na tare da kai ake haɗa kai ake ma wa'ansu abubuwa to shin a ganin ka za ka jima cikin harkar waka mm, to ita wannan tambayar da kika yi mun kawai amsata ta Allah ne kaɗai ya sani tunda ni ma ban sani ba zan jima ko ba zan jima ba wannan kawai daga Allah ne haka ne to ko za mu iya sanin irin alhairan da ka samu sanadiyar waka mun san ba za ka iya gaya muna duka ba saboda kace munafukai na tare da kai <laughs> ko za mu yi dan kaɗan dai hakan ga cikin irin alhakin da ka samu cikin hanyar waka eh to gaskiya na samu abubuwa da dama wanda ko a haka na tsaya ubangiji allah sai dai in mai godiya but na samu filaye sun kai bakwai ma mm-hmm. na siya mota a ciki na yi aure na yi kin ga ko duka alhairai ne <laughs> kenan na samu alkhairi a cikin harkar waka ko a haka na bari normally to kana da wani sako da zaka mikawa masoya masu sauraron mu a wannan lokaci eh sakon da nake so in ba ma masoya ko in ce jama'a guda ɗaya ne naka naka ne don hannunka ba zai rube ba ka ce ka sara shi kayar iya wuya da nakan ka riƙe shi gangam so that abin da baka tunanin nakan zai iya kana hangen kaman wani ya fi nakan in ka waiwayo baya sai ka tarar da nakan ya fi wanda kake ma to abin ni nake eh, kira ga mutanenmu mai su mai da hankalinsu akan eh, artist mu na nan gida duk abin suke tunanin an iya a nigeria a nan akwai shi mm-hmm. duk mutanen da suke tunanin za su samu kamar mawaka da sauransu a Najeriya ko 'yan fim da sauransu a Najeriya nan akwai shi kawai rashin tallafi ne inda akwai tallafi ko na Najeriya ba za su nuna mana nan komai ba. haka ne to mun gode limamin waka dan lafiya kenan a nan za mu tsaya don kan mu ɗauka kwarai cikin lokacin ka musa ana shirin ka ana shirin ka kwarai mun gode kun muna maka fatan um, que tu tribal journey ma'ana abu lafiya na gode sosai Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, si vous venez de nous capter, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Samira, à présent, c'est lors de notre rubrique hebdomadaire. Nous sommes lundi et nous allons parler justice, plus précisément de détention ou garde à vue. Effectivement, vu d'ensemble, le Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme fournit une assistance technique et des conseils au gouvernement du Niger pour améliorer sa coopération avec euh, les organes conventionnels et les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme au niveau international et régional. Son objectif est entre autres de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme. Et qu'en est-il des conditions de détention ou de garde à vue Omer Kabiou Kaleme, représentant de la HCDH au Niger, donne des précisions. Il est au micro de Rafika Taher. Quelle est la situation des cas de détention dans les prisons En dépit des efforts des autorités judiciaires pour lutter contre la surpopulation carcérale dans les prisons, les cas de détention préventive de longue durée et sans jugement constituent le problème majeur et récurrent au niveau de certaines prisons. Au centre de réinsertion de Colo, par exemple, sur 1046 personnes en détention préventive, 1190 étaient en détention préventive au mois de juillet, au mois de février 2023. Cette situation concerne particulièrement les détenus adultes de sécurité. Sur un effectif de 888 détenus en février 2023, seuls 43 avaient été jugés et condamnés. Ça, il s'agit de détenus en lien avec euh, l'insécurité, avec euh, la lutte contre le terrorisme. Cette situation de détention préventive abusive érode les principes et les règles du droit international des droits de l'homme, notamment la présomption d'innocence. Elle entretient la surpopulation carcérale. Elle aggrave les conditions de détention. Elle accroît le risque de mauvais traitements et de torture. Elle alourdit le fardeau des tribunaux et exerce une pression socio-économique sur les prévenus et leurs proches. Qu'en est-il par exemple des commissariats de police en parlant bien sûr des cellules de garde à vue au niveau des commissariats de police visités au cours du mois de mars 2023, si les délais de garde à vue sont globalement respectés, y compris les demandes de prorogation auprès du parquet, les cellules de garde à vue dans certains commissariats de police sont inadaptées, exiguës, non aérées, vétus, voire inexistantes dans certains commissariats, notamment les cellules de garde à vue à l'endroit des femmes, des mineurs. Les conditions d'hygiène et de salubrité sont mauvaises les personnes interpellées pour contrôle, contrôle et vérification d'identité, sont placées dans les cellules de garde à vue. Le bureau a constaté qu'il y a un besoin de légiférer sur cet aspect pour une bonne gestion des interpellations pour contrôle des vérifications d'identité. Quelles sont les solutions alors prévues par le Niger pour améliorer la situation des détenus Au cours de la même période, le Niger a poursuivi ses efforts de mise en œuvre de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Entre autres, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation du plan d'opérationnalisation de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux régionaux des droits de l'homme, notamment l'examen périodique universel. Ce plan a été élaboré avec l'appui technique du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour renforcer les capacités de la justice en ressources humaines et améliorer ses performances, 47 nouveaux magistrats, 44 hommes et 3 femmes, 44 inspecteurs et 88 contrôleurs de l'administration pénitentiaire sont sortis de l'école de formation judiciaire du Niger. Le Niger dispose aujourd'hui d'un avant-projet de code pénal novateur. Hein. Merci Rafika. Poursuivons, fidèles auditeurs, la consommation musicale dans cette émission Le Niger sur Kalangu avec le titre Kota Cherry de l'artiste Dari. katkuri da digi tanta balama gobiri tinkini ina figi fonda bindi bi, kwakwata galala ama aina sigi ai manti falabo Bora kolokani giribi giribi monadi, nadi sanga in na fitiga kazima modidi asima tari kɔta keri ayi bango feere sanga in na lokacin ai bai ga da nau fata ku bai a difan da kota bari ga simatari kota kiri ai bango feri sanwai lala da singiri marga marga no waza ga margo ai hinna ga zankano dobo toni bai wano jar ala sirir koi mawi munafikin ai katika tika dai be na hiri Né le 7 août 1988 à Niamey, l'artiste Mamandare Moussa alias Dare est un jeune artiste rappeur, rappeur excusez-moi, chanteur, compositeur et qui a opté euh, pour le rap conscient dans le style afro hip-hop. C'est lui l'auteur du titre tant sollicité et aimé par le public nigérien, Tobey, un mot devenu un refrain chez tous les jeunes du monde euh, au Niger. Voilà, après cette pause musicale, Ruki, on passe à l'écho des régions. Effectivement, Mira. Alors, euh, aujourd'hui, euh, nous restons à Niamey pour parler du citoyen modèle. Hum, être citoyen modèle est un facteur qui favorise le civisme et conduit à la bonne gouvernance qui certainement est à la base du développement d'un pays. Qui peut être citoyen modèle Comment le devenir Pour le savoir, Samira, suivant ce reportage de Kader Amadou. labistarei borkul harino labu mazadamo kalanda timmante han an zai lokaco lala zamano kan ra irgo irgo tai ir fondai da ir isa kerai ki nangu wadin banda ir har zibai gogu zuru ir gorgisina winde mega fonda kerai mo kiya kurayera habu nodin no ir waimai ige hina ige randite diban giyai da har zibai igi mun da babon yadi mono irgin funai isigi duberandiyan halakka son komi kindo mo sigin ga goye ga sandin da fondo wane kulbanda dala bi zai fatta gai bin hasarau ke bai igi labo arzaka sara igi sai sai ya dimono igani ton hayai kultera yano kan sila bistarai kubandi ige chaba mo kan borbo ba kul silabo alhakai bai irma dugu wane kul bonza kwa gidi sata kan sigine bisti timmantai sani ayuba amanti kalira afono nan kaga faman dirse mai giti labis timmanti badiyan oga labis tare wada giti barkan gabai kan labo nga gonga gonda labo din gonda nga bon fonda yanda alhakuya barkan ga manga labo sai dori kul kan te kan gana am labo mayo katare barkan go yora ragin lote fi sibi de la imat ka himanda kine him gitela bora agate kine imsate asate ag banga labu da mag bai kan borkul labu follon nase fonda ka ra gonda bere akkan da kan mu kare an bera do hare kan gana labu ce da rawo mu koyi da jina wal dine bore ba ninga jangale niga bana wadi labu istareno dine bore mu era ra lokaci ra goye do ni koyi lokaci ra ni sine za goyo lokaci man zumbu ya era man to nim zumbu wannan ka goyo don si go kutte kal jirbi wal ka ni goyo do sanno ni furfa kare fora goyo kini no kan hemgite habu fokal habu hinka wal goyo kan hemgite ka ma gani gogin bana dimne dimanti dimboro ni nono wuruno ni si goyo din te alors que gwamnati gogin bana wajen kulman ti labis tare no donc barkan ti labis ti man ti barkan si wajen yanci mati sani ayuba sanno banda irko gira hanyan tonan di labi zaido labi zitin manta dai kiti barkan ga can singa labosi labi zitin manta dai kiti barkan ga manga labosi duri labi zitin manta dai kiti barkan ga hagoi da labo jinai ni labo ni wannan shi labo fobo ni labo bono ni kai awai dia mo ga la ki mante inga no ti la kanga chance inga labose kanga ba gomni inga labose bose kan haikul kan adi kan har hanne mo hunkula asibara nan kul kalim ne hayawo inga labora bora na gu la bis ti mante ka ti boradin kan singa labo bo genti Husaini Abdullahi amanti kalkurai ino nan kaga faman dirse da al'umma ga ba amciya la bis ti mante yan kaldina fondo wani yan gana la tare mo dinga ba ni matin fo foken nin ba ifo ga ti la tare labo wani alhaku kayan di irin mi gana lorda ki da kirbon irin mi gana ir labu ir bumbo dirbon am gaza da am to labo foyan kan ir gogidi igi kebe ir se kan vraiment wallahi labu igu ir labo gine an yai zai labistarai te rai idogon yanno amma ir siga te gani to di. da ir gaba ir labo mazada am koi da gini dole kalir makiya labistin mantayan Très beau reportage du Kader Amadou qui est en ligne avec nous. Bonjour Kader Matarankani. Kader. Bonjour Ravi, ça va? Rukaya no Rukaya. Ya. Mataran ka ne. Sava mata ga amai. To samai dai no kadar. To halaran ga barbata wote dai ifo naran di kan naran bin hasara wali ifo naran di kan manka naran sai karan kwai ga e, e, barbata wote. Ai kan sayar na barbata wote yin lokaci irdi kan irson labi zai isi can sun ga labote. Mm. Wadin banda wala haikul kan ine labo no isi isa san mu zangin gai wani. wallahi mm, kan sai an kare gini civis eh, no si irbine raba a oh. haikul kan ine la peno wala mm-hmm. haikul mm. kan labun kwaiti ba a apu nirse wakan tege labo yeti banda watkul inga no bore gite amma amni oh. di goite riyan gono di koinge goyedu haikul ni se kala din maga dimman no noru inga no da maga din man no haifo iti ni tenise wadin banda bi koy mo wana wana aran kambo ai wai ya fai ce wai bare do kal kalfa kare to ko ce mataka manda ok to kada ni wanda yango gaston fonda yango na kan boga himga gana bar mai yamu dogite kan nan bor mai yamma dogite kadai bore ima bangai labo irma ba ir labo ga bisa matir ga ba ir bon ya dino irma ga ba ir labo aha to wadin banda matakan kurai koyo na cida da lordon ki da kirbon a tina siga irmi goyi da zanga ne din ko godo nin koyi er guru haku nin zumbu guru ta ci a da bai koyi har guru haku ga tokula kula mai gare godo guru ta ci banda ayi mazumi hmm. lordon kulki da ke kan gana labon koyi da gina irmi gana dalla dalla din mono dir fatta gane irmir bina hasarau sarauta be irma ma labo jine irmi bogu bogu wani irmi son iri ma ga bai kan jangala kirgo bana inda ni gogi gite da din ga matakir ga ma dori irma noruka ga bana din ne iri ma ga jine jina hakoi to madalla madalla kadiyar neno irgin na zama lokacin gogir ya din no din no sai ruka ya to ir sabu ir sabu Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Rukaya, c'est le moment de passer au sport. Effectivement, Samira et notre chroniqueur sportif Adam Sariou se trouvent à nos côtés actuellement dans ce studio. Adam, bonjour. Bonjour, Ruki. Aujourd'hui, nous débutons cette chronique avec la cinquième édition du championnat national de Kung Fu. Oui, Ruki, pendant trois jours durant, les combats de ce art martial venu de la Chine ont pris d'assaut l'Académie des arts martiaux de Niamey. Écoutons le président de la FENI Wichou, Moussa Maman, au micro de Salamatou Kadiri. C'est la deuxième édition du championnat national intitulé Coupe Coopération Sino-Nigérienne. de ce thème est basé, si vous avez suivi euh, mon discours, euh, notre sponsor primordial et qui nous appuie tous les championnats, c'est l'ambassade de Chine. Dans l'intervention aussi de son Excellence, M. l'ambassadeur Jiang Peng, vous avez entendu le brassage culturel euh, à travers ça et combien de Nigériens ont profité à recevoir des formations en Chine. Nous avons au moins à trois reprises reçu des stages de formation en Chine euh, de 110 jours, et certains dans d'autres régions de 3 jours, 3 semaines, etc. Toutes les régions sont représentées et nous avons même au-delà des régions du Niger, deux régions qui se sont ajoutées de diaspora, Lomé et Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous avons surtout, comme tous les sports, c'est d'amener les Nigériens à la perfection dans l'international et de représenter le pays sur toutes les rubriques de la pratique Kung Fu à l'international. Adam, après les arts martiaux, place au football. Oui, Mira, les jeunes du quartier Dar es de Niamey se sont mobilisés samedi pour lancer l'édition de l'RTGV, Un tournoi qui rassemble des équipes venues de plusieurs quartiers. Écoutons Daouda Takubakoy, le parrain de ce tournoi, au micro de Salamatou Kadri. Le football est une des activités que le président de la République prend en main personnellement. Le président de la République a promis de mettre 1 milliard 200 millions par an pour soutenir le football. Déjà, il va rehausser les prix des coupes. Il va aussi subventionner chaque équipe de football qui passe en première division. Donc, c'est dans ce cadre que nous aussi, nous soutenons les actions du président de la République. Donc, nous soutenons tout ce qui est relatif euh, au football. TGV va durer un mois, du 15 juillet aujourd'hui au 15 août prochain, Inch'Allah. Donc c'est du fair play, j'attends que tout le monde s'amuse et que le meilleur gagne. Adam, après leur élimination à la Coupe UFOAB, les U20 du Niger ont campé à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Abidjan. Oui, c'est dans l'idée de poursuivre sa préparation en vue de la participation du Niger au 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023. Pour rappel, le Niger sera logé dans la poule B en compagnie de la France, la Tunisie et du Burkina Faso. Le MENA U20 va d'ailleurs débuter la compétition le 27 juillet contre le U20 du Burkina Faso. Et bien, c'est la fin de cette chronique, Rookie. À bientôt pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives à euh, Rokaya. Aujourd'hui, le portrait du jour euh, nous amène à la découverte de Hawa Idrissa, une passionnée par l'informatique et les technologies numériques. Elle est aujourd'hui développeuse web grâce à un cursus qu'elle suit au niveau de code local et encourage d'autres jeunes filles à se lancer dans ce secteur largement dominé par les hommes. Écoutons son portrait rendu au studio par Fantascience. Lancée en octobre 2019, Code Local est la première école dédiée à la programmation informatique au Niger. Située à la Cité de l'innovation des Sador et à la périphérie sud-ouest de Niamey, cet établissement compte 12 filles sur un effectif de 45. Passionné des technologies de l'information, Idrissa Hawa est l'une d'elles. Avant même que je vienne à Code Local, à la maison, quand elles ont un souci avec leur téléphone, c'est moi qu'elles appellent pour me, pour me demander de réparer le téléphone. Des fois, j'arrivais pas. C'est en ce moment même que je parle sur le net, je parcours les forums, j'ai fait des petites recherches pour pouvoir trouver des solutions. C'est à cause de ça même que la grande sœur <laughs> m'a inscrite ici. Le premier jour que quand j'étais venue ici, c'était juste devant. On demandait aux gens de se présenter me présenter devant des gens que je ne connais pas, j'ai j'ai vraiment galéré. Il me disait que je ne peux pas aller, parce que je n'ai pas fait euh, des études dans le numérique. j'avais un bac A. Et il pense que le numérique, il faut, pour, pour être dans le domaine, il faut un bac C ou un bac D. L'auto-apprentissage est l'une des particularités de cet établissement ce qui oblige les étudiants à collaborer et à trouver des solutions ensemble. Quand je bloque, automatiquement je cherche des, solutions sur YouTube, sur le net. Des fois sur YouTube, quand j'arrive pas à trouver la solution, je passe sur Google. Après ça, quand ça, <laughs> ça je vois avec les autres. Je note la réponse dans le cahier pour, pour que demain, quand j'aurai un autre problème ou quelqu'un aurait le même problème, de ne pas nous stresser. Il y a déjà la solution. On, on vérifie seulement et on continue. Aujourd'hui, Hawa développe des sites web et coach les nouveaux arrivants. Elle espère promouvoir l'inclusion féminine dans un secteur largement dominé par les hommes en brisant certains stéréotypes. On dit quand on veut, on peut. C'est pourquoi j'aimerais inciter beaucoup de femmes à joindre ces domaines, leur montrer que ce n'est pas un domaine uniquement pour les hommes. Même les femmes peuvent avoir leur place dans ces domaines. Elles peuvent même faire plus mieux que les hommes. Prenons le cas du design. Si c'est une femme, elle, elle va tout faire pour réussir le design. Mais si c'est un homme, il va juste bâcler le travail <laughs> et passer. Alors, nous poursuivons en musique euh, dans notre sélection d'aujourd'hui avec le titre Soboro de l'artiste Salim Japiter featuring avec Sheikh euh, Tidian. sabar sabar sabar, sabar sabar sabar sabar sabar, sabar kanga bonna ma nyam nyam sabar kanga dori no borosi dori kanga boro wi hari dori kanga konda bora hari et village de moustiquaires imprégnés. Car c'est un conseil. Prenez soin de vos maisons, nettoyez bien pour éviter euh, la malaria. Alors, c'était le titre de euh, Salim Dja en featuring avec Shek euh, Tidiane, Le titre, c'était Soboro. Rokaya, à présent, c'est l'heure pour nous de retrouver notre loti du jour. Oui, Samira, le loti de ce lundi 17 juillet traite de l'importance de la carte d'identité nationale. C'est un document administratif servant à justifier l'identité d'une personne. Certains citoyens ne connaissent pas l'utilité de cette pièce d'identité. Écoutons une discussion que j'ai eu à faire avec Rekia Arimi sur l'importance de cette pièce d'identité. affairage, affairage, affairage. cousine, comment s'est passé ton voyage J'espère que tu nous as apporté des cadeaux, hein Ne m'énerve pas, hein. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. Eh, pardon. Qui t'a énervé comme ça Ou bien c'est Maman que tu as vu dehors à la fada Si seulement c'était le cas. Laisse-moi déposer d'abord mes bagages et souffler un peu. Tiens, bois de l'eau. Et raconte-moi, j'ai hâte d'entendre qui t'a énervé autant. <laughs> voilà, cousine si je te raconte ce qui m'est arrivé sur la route de mon village à Niamey, hmm, tu ne me croiras pas. À chaque poste de contrôle, on me fait descendre, ce qui indisposait les autres passagers et retardait notre voyage. Mais pourquoi vous faire descendre Il y a un trafiquant dans votre bus ou quoi Non, oui parce que tout simplement quelques-uns d'entre nous n'avaient pas de carte d'identité, comme si je suis obligée de la faire. Toi aussi, cousine, ces personnes qui vous ont fait descendre en raison sur vous, vous faites quand même un torse à la loi. La carte d'identité est obligatoire pour chaque citoyen à partir de 18 ans. Cela pour l'identifier et le protéger, on ne sait jamais. Mais protéger de quoi De qui Je suis dans mon pays. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver En tout cas, si c'est comme ça, je ne reviendrai plus en ville. Cela n'engage que toi de rester dans ton trou perdu là-bas. Mais sache seulement que la carte d'identité est une pièce d'état civil qui est instituée par un décret depuis le 9 octobre 1964. C'est même publié par le journal officiel numéro 19 du 1er octobre 1964. Hé, arrête de faire les connaisseurs. En tout cas, par rapport à toi, j'en connais un rayon. Bref, la carte nationale d'identité reprend donc l'identification de la personne telle que cela se présente sur l'extrait de naissance. Et avec cette insécurité vers chez toi, tu pourrais être confronté à une situation désagréable car les femmes seraient complices aussi. que Dieu nous en garde. Attends, et si quelque chose t'arrive, comme un accident ou autre, c'est grâce à ta carte d'identité qu'on peut t'identifier et informer ta famille. Dans ces cas, c'est vraiment nécessaire et utile pour notre mobilité. Je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là. Et aussi, tu as déjà 19 ans. Quand tu auras besoin de récupérer un colis, tu ne peux pas le faire à défaut de ta carte et surtout aujourd'hui avec les transferts d'argent ou transactions bancaires. Hé, eh, n'ajoute pas plus. J'ai compris. Je crois que de mon retour, je ferai ma carte d'identité pour pouvoir voyager en toute quiétude. Et surtout, tu ne vas plus prétexter que je n'ai pas de carte pour ne pas m'envoyer des sous. <laughs> en tout cas, je t'encourage. Tu comprends qu'il s'agit d'argent. Ah, mais oui, hein. Hé, eh, donne-moi l'eau là, je veux boire. Chers auditeurs, c'était le loti offert par les femmes du studio Kalangu. Et euh, pour la culture euh, linguistique, ce lundi, euh, Rukaya Jackie profite de son séjour à Madagascar pour nous parler de la langue malgache et quelques mots de cette langue qui ressemble à l'anglais. Hello Jackie! Hello and welcome. Bonjour et bienvenue. Today I'm visiting a brother of Studio Kalangu, Aujourd'hui, je visite un des frères de Studio Kalangu. I'm in Madagascar. Je suis au Madagascar et je suis à Studio Sifaka qui est aussi, tout comme Studio Kalangu, un média créé par la Fondation Hirondelle. Et je suis avec un de ses journalistes, Angelo. Hello, Angelo. Hello, Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Je suis Angelo Malalanienne. A very interesting thing. Une chose très intéressante et le fait que la langue malgache a été influencée par beaucoup de différentes langues en fait. Oui, c'est exact. La langue malgache a plusieurs euh, influences, à commencer par la langue bantoue euh, qui vient d'Afrique. Euh, nous avons aussi une influence du mot arabe, une influence swahili qui est parlée sur la côte ouest de Madagascar et des influences indonésiennes, malaisiennes et surtout européennes. Donc ça montre à quel point le pays est euh, a été influencé par plein de cultures différentes et ça se sent, c'est intéressant même dans l'architecture et c'est vraiment un mix de différentes influences. C'est exact. Dans une même phrase, nous avons euh, quelques mots venant de ces cultures. Tout à fait. Alors parlons spécifiquement, comme on est dans la rubrique, anglaise, parlons des mots en anglais justement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples mhm. Alors, euh, les exemples que je vais vous donner aujourd'hui viennent des sont des noms de fournitures de bureaux et des fournitures de classe, euh, à savoir pencil. Euh, chez nous, à Madagascar, nous disons pehicili. Ok, donc c'est un mot similaire. Pencil, en français, c'est Crayon. Et ensuite Nous avons également pen de l'anglais et à Madagascar, nous disons penina. Penina. Donc pen, ça veut dire stylo. Stylo, exactement. Alors nous avons un autre exemple, euh, school en anglais, qui est sekul en malgache. D'accord, donc c'est une prononciation légèrement différente. Et school, en français, c'est école. École, voilà. pour récapituler ces trois mots en lien avec l'école, on a pen qui veut dire stylo, pencil qui veut dire crayon et school qui veut dire école. C'est bien ça. Et ensuite, quoi d'autre euh, nous avons aussi euh, le mot son, euh, qui veut dire fils, oui, mhm, qui vient du mot anglais fils, que nous utilisons dans notre nom et qu'on rattache à la fin du nom malgache, à l'exemple de rabé Rabé est le nom malgache et son vient du mot fils en anglais. D'accord. Et tout comme notre collègue qui s'appelle Harrison, en fait, c'est le même mot à la fin, c'est son, donc fils fils de Harry. D'accord, ok. <laughs> ben merci, c'est très intéressant et ça nous donne une petite euh, fenêtre sur la culture malgache et, l'histoire malgache aussi. Voilà. Euh, donc, Angelo, je te remercie de ton temps. Et juste pour rappeler, today's English words, les mots en anglais d'aujourd'hui, étaient pen, pencil, school et sun. Until next time, à la prochaine. Merci Jackie pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en haussa, en german, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. an ma ga shi ya da mi da ki bai da cin ba makka da don don kari ballara studio kalangu fa karai irgo gini hangan alwatu kulu irgo ga ma studio kalangu e kan da na ba bare ga kan da bon ferayen mhm. alan da ga kan da ki tifon da faman da yan borai sai irgo gini hangan irgo ga mara irgo kan da na fazan irgo ga borai bon fere. irgo ga wafa kai mo don borai da kyar gamara tontoni aga kan amma sun matakan irgo ga goye ta dawo imagaban da ga irko makamu da ngise ngai digo am koy da jina irman digo ga kayan do kadai hankan ga himan da burmun ware dai irko himma tontoni se igoye mu koy da jina cintine gina dai ga umur mai kalangu kan ga ce wani kaino kan go ta yafo ai ga dibte hare kai kan go sandire ai ga nafo ai ga li chajal koy kan go ne ballar taraku kan ga ce wani chora ai go ga nafo ingan ninga wani almayare kulu ai ma yi hagar abdullahi kan go ballai yar sato ai ga hangan karangu ya karangu sigire wo kan ga kanai se sigir kul kul kan ngai ma sannu kul kai ma radio fo bon man ci kalan gum rana ma kule wo shaganda ai sai tabbata bai ma ranan gu fono kalai ma hangarin sigiyo kalun ngai mire wo hanga dai ma ra sigiyo kalun ngane wo yadda wo no nan ai wo ai fanda ki gan timu fanda no nan ai wo hal ho bai da hal do futta ge sigida ki bon fere ki futta ge no do wondi ai zai futta ge bon je zai mata ki gi salan sanno salan ni sai da mi hagwajin gai ba funi matkita kulu an gai no nan kanai si orai do mo halho ho hayyan gai do zangai eh, food way eh, way haye mata kigite ndi dangai haye ngadi kel gamara ki nani kigite si hal hongunu na ayu aka kane so di kuli gachi ngunu na wallahi ayu aka kane si oh. iro kigite guru way cindi oh, ay go sigir fo hangan ni niger sur ngu aka kane se gum gum gum sigiro hankam ba ga salan futa gay bonna ga salan do na ga salan asenu ay ga to madalla sintina dai ay gir president to kanki nyalo ga fo ay ga mala ma fo hal hon ay ga bero nya fo ngamo hal hon ngamo iri hanga siniyanno ikulu ikul go balle yarara ay gara jo baskalan gubara me da me mu ai gifa gibani ha alors, c'était là les messages de nos auditeurs. Repartons pour une dernière tournée en musique avec le titre Rankata Cup, euh, un feat entre l'artiste Shoba et DJ Mastataf. samari da mata na gari ga dijan kuma sa tare da shoba mun zo muka da sabon salo ɗan uba sai dai kumbure ko watse mu zangu chukume mungu rakataka chukuminka rakataka malan chukuminka rakataka haba chukuminka rakataka ka kap rakataka akwana akwana atashi shi dan yaro sai ya girma yaro ya girma Ala ne ya bamu da kashi in ku na uban ku ne sai ku amshi Allah ya yi abin kuɗi na in ci na kuɗi na in kuɗi na in je ya ture sai ku bar in tashi da dole in in tashi haka muke mu haka muke mu barin haka muke ajiye ibe ba ce sí Kalangu, c'est aussi et surtout la grande édition du soir et nous sommes avec Rafika Taher, notre collègue chargée de présenter le journal en français. Bonjour Rafika. Rebonjour Kaya. <laughs> Rebonjour. Quels sont les titres de ce soir Alors, pour la grande édition de ce soir, des dégâts ont été enregistrés suite aux inondations à Tirozérine. Le dépôt des ordures dans les cours d'eau serait à la base de ces inondations. Plus de précisions ce soir. Une insalubrité est constatée à la devanture de l'abattoir à Dagadez. Des mesures sont prises par la mairie. Les détails à 18h, enfin à 17h. <laughs> Et de la partie magazine de ce soir, vous aurez les préoccupations du Haut, Commissariat des Nations Unies pour le droit des hommes en matière de droits humains au Niger. Merci beaucoup euh, Rafika pour ces titres. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition du Niger sur Kalangu. Euh, vous étiez en compagnie de Rukayeto Abderrahman et de moi-même Samira Rafi. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est donc pris pour demain avec un nouveau numéro et un autre duo. La technique la technique était assurée bien évidemment par Issa Lawali qui est tout pressé et Pantacham Soumegari à l'édition. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Bye bye